le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Panier FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozirine, Magaria, Mainasoroa, Tamaske Bouza, Dolbel et Saï le forum de la presse pour décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Pour ce vendredi 21 avril 2017, nos invités sont Garé Amadou du journal L'événement. Bonsoir Garé. Bonsoir. Merci d'être venu. Et Rufai Dandoua du groupe de presse Liptako. Merci Rufai. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir à vous. Et nous attendons d'une minute à l'autre Issa Madougou du groupe de presse Ténéré. Cette semaine, l'actualité est dominée par la crise scolaire. Après les, affrontements entre forces de l'ordre et scolaires ayant occasionné la mort d'un étudiant, la personne de Malabagalé, la semaine était mouvementée avec la grève illimitée des scolaires qui tiennent mordicus à leurs exigences. L'organisation estudiantine exigeait la prise en compte de ces préalables, à savoir, je cite, le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar, l'ouverture d'une enquête sur les événements du 10 avril dernier et également la libération sans condition des scolaires arrêtés. C'est finalement aujourd'hui, en fin de matinée, que le consensus a été trouvé entre l'USN et le gouvernement. Les événements du 10 avril suite vont occuper une grande, grande partie de ce forum. Par la suite, nous irons à l'Assemblée nationale actuellement en session de loi Là-bas, ce sont les députés de l'opposition qui boudent parce que, disent-ils, la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate a déposé son rapport sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition, membres de cette commission, disent n'avoir pas été associés à cette dernière étape. Un mot sur la libération de l'acteur de la société civile Michael Zodi. Il est accusé de constitution et mis sous mandat dépôt depuis le 5 avril dernier. Un mot aussi sur notre confrère Baba Alpha, détenu depuis le 3 avril dernier, qui a comparé ce matin devant le juge, et ce pour la troisième fois. Une soixantaine de journalistes d'Afrique de l'Ouest ont rendu public hier une déclaration sur sa situation et sur la situation de la liberté de la presse en général au Niger. Ces journalistes participent à une formation organisée par la cellule Norbert Zongo à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous aurons aussi un mot sur l'épidémie de méningite et d'hépatite E virale euh, constatée dans la région de Difa à la date du 19 avril dernier. 25 décès ont été enregistrés. Chers invités, merci une fois de plus de venir. Le forum de la presse est un espace d'échange pour informer et édifier les auditeurs. Un échange dans le respect de l'autre, un échange, où c'est la force des arguments qui doit prévaloir. Ceci étant, après deux jours de négociations, l'Union des scolaires du Niger décide de suspendre son mot d'ordre de grève et de reprendre les cours dès le mardi prochain. Le comité directeur de l'USN et le gouvernement ont en effet trouvé un terrain d'entente en fin de matinée autour des préalables posés par l'USN. L'accord porte sur les critères d'octroi des bourses, le paiement des arriérés et la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Je vous propose de suivre Hussein Amadou, chargé de, la presse euh, au CD de l'USN. Il a été joint euh, ce soir même par euh, Asuman et Il nous dit les conclusions de cette rencontre. Ce qui nous avait conduit au moment, c'était la question de l'aide sociale, les critères suicidaires que voulait mettre le gouvernement. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont enlevé ces critères et aussi le retard légendaire du paiement de bourses et donc deux bourses d'arriérés. Le gouvernement a pris l'engagement qu'ils vont commencer le paiement dès demain et même les allocations vont commencer le paiement dès le mardi, Inch'Allah. Donc on s'était dit le mieux c'est de revenir aussi à de meilleurs sentiments comme eux. Ils ont pu sursoir sur toute la ligne. Donc on a décidé en tant que USN de suspendre le mot d'ordre provisoirement à partir du mardi. Ils ont accepté euh, la création d'une commission d'enquête euh. Oui, ils ont accepté. Donc l'USN a cinq représentants, le gouvernement a aussi des représentants, la CNDH a un représentant et la CNDS a un représentant aussi. Voilà, Hussein Amadou, chargé à la presse du comité directeur de l'USN sur le consensus euh, que le gouvernement et le comité directeur de l'USN ont eu finalement cet après-midi. Euh, avant de parler de, de, ce dernier développement de, la situation scolaire, je vous annonce l'arrivée de notre troisième invité, Issa Madougou, du groupe de presse Ténéré. Bonsoir Issa. Euh, Merci d'être venu. Je vais donner la parole à Roufouaï, qui est à ma droite. Vous avez suivi le monsieur Amadou Ousseini, qui est chargé de la presse sur le consensus euh, que l'USN et le gouvernement viennent d'avoir il y a quelques instants, puisque c'est ce soir. Mhm. Alors, tout, se passe bien finalement. Oui, enfin. Après tant de mouvements, on, tant de... On, peut dire, enfin, la raison a prévalu de part et d'autre. Euh, c'était normal, c'était dans l'ordre des choses que l'USN, après ce qui s'est passé, et pose des revendications, demande d'ouverture d'une enquête et demande la tête euh, du ministre euh, Ben Omar, même si pour moi ce n'était pas lui qui devait partir. Nous reviendrons donc sur cet aspect. Justement, je voudrais que vous réagissiez sur l'aspect, sur le point précis du consensus qui vient oui, de le, le, le consensus, Vous avez écouté M. Housseni Bien sûr, je l'ai écouté, j'ai écouté encore d'autres euh, acteur de, de, ce consensus. Je pense que euh, de dès l'instant où le président de la République avait pris les choses en main, pour une fois qu'il a fait prévaloir la raison parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ce pays et euh, pour lesquelles il devrait intervenir, il n'avait pas fait. Et ça prouve que lorsque les étudiants sont unis, comme on dit, unis, nous vaincrons, lorsqu'ils sont unis, ils sont forts et qu'ils peuvent faire fléchir même le président de la République. Ça a été le cas et c'est tout à l'avantage de tout le monde, euh, les scolaires, euh, le gouvernement, le pays entier, parce qu'on tend vers une année qui prend la couleur euh, blanche aujourd'hui avec ce qui s'est passé, avec le retour au calme. On espère que l'année sera sauvée. Moi, je, suis très content que les différentes parties soient revenues à la raison pour le bien de tous. surtout l'école publique qui semble être abandonné. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes parce que autant les autres points ont, tous les points ont eu de satisfaction, autant j'ai mis des réserves sur euh, la commission d'enquête parce que ça a toujours été le cas au Niger. Il y a toujours des commissions d'enquête, il y a toujours des euh, enquêtes qui sont ouvertes, mais jusque-là, on n'a jamais eu de résultats probants j'attends vous, avez parlé de la détermination de l'USN. Mais, quand même, mais quand même, je suis. Qu'elle va lâcher je ne sais pas, je ne, je ne veux pas prédire ce qui s'est passé, mais je suis en train de, de parler de ce qui s'est passé pendant des années. À chaque fois qu'il y a des commissions d'enquête, euh, elles n'aboutissent pas. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va aboutir parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu un enfant, un garçon qui, dans la fleur de l'âge, a succombé au bal. Euh, des forces de défense et de sécurité. J'espère que justice lui sera rendue pour le bien de tous. Mhm. Gary, le consensus est trouvé. Oui, d'abord, euh, avant de commencer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion sur un plateau de télévision, je présente mes condoléances à la famille de Malabagalé, n'est-ce pas Je présente mes condoléances à l'USN pour la perte de, ce militant-là. Cela dit, euh, il, faut, quand même rectifier, il n'est pas mort de, par balle. Hein. Je crois que c'est important de le rectifier. Euh, oui, mais, comme <laughs> vous dites mort par balle, ça peut, ça peut être interprété très mal. Donc, euh, je me félicite de cet accord qui est intervenu entre le gouvernement et la partie des étudiants. Pourquoi Parce que je pense qu'après après la colère, il faut toujours trouver un moment pour s'asseoir et puis discuter. Et comme l'a dit euh, chacune des deux parties a pris la, la mesure, la gravité de la situation Chacune des parties a fait des pas et ce qui a permis d'aboutir à cet accord-là que nous saluons de. de, disait tout à l'heure euh, l'implication personnelle du président de la République oui, première. C'est très important. Ça prouve encore une fois de plus à quel point ce régime-là accorde de l'importance à l'enseignement supérieur. Ce qui s'est passé est très malheureux. pense ça que. a pris du temps quand même. Ça a pris du temps, c'est vrai, mais, la promptitude avec laquelle le président a dit aux étudiants venez, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est très rare dans l'histoire du Niger de voir cela. Le rapport de force n'a pas prévalu Non, ce n'est pas une question de rapport de force. C'est un respect. Il y a eu un, précédent dans l'histoire euh, du Niger, 9 février, lorsque le président est revenu, euh, il a le lendemain. Euh, en 90. Oui, allez-y. je vous ai laissé parler Oui. Voilà, je pense que non, quand vous aurez le temps, vous pourrez quitter cette échange. J'ai dit c'est rare, je n'ai pas dit que ça n'a jamais eu lieu. C'est du français que je parle. J'ai dit c'est rare. Donc, ce que j'ai dit, j'ai dit c'est tellement rare qu'un président euh, euh, rencontre des structures étudiantines, euh, c'est vraiment, il faut le saluer. Je pense que ce qui est arrivé est très grave, n'est-ce pas Parce qu'un étudiant est mort. Ça, tout le monde l'a déploré. Et je, suis sûr que les autorités n'auraient pas voulu qu'il y ait mort d'homme dans cette situation-là. Mais heureusement, le président a pris les choses en main et il a dit, quand il a rencontré les étudiants, qu'il va mettre les bouchées doubles pour que le problème soit trouvé, des solutions soient trouvées à ces problèmes-là. Et les solutions sont trouvées. Et les solutions le apparemment sont trouvées. Parce que déjà, 24 heures après la rencontre avec les étudiants, le président a dégagé le ministre de l'Enseignement supérieur. Une des conditions. Et une des conditions, n'est-ce pas Il l'a remplacé par euh, le ministre Yéhouda Sadissou. Et lui, qui, dès qu'il est rentré, dès qu'il a pris fonction, il a appelé. Ça, je voudrais juste que vous voilà, donc, le, consensus qui vient Le consensus, moi je vous dis, je suis très content. Parce que pourquoi Parce que nous, nous avons fait l'université. Nous avons mené des luttes, n'est-ce pas Et donc, quand l'université, quand les étudiants sortent, ceux que les étudiants ont des problèmes. Et heureusement, j'ai dit un consensus à trouver et je le salue. je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents que ça soit trouvé, que l'accord soit trouvé, mais tant pis pour eux. Voilà. En tout cas, vous, vous saluez ce Moi, je salue. Madougou euh, quelle est votre appréciation euh, Je crois bien. la gouvernement cet après-midi La première des choses, qu'il faut saluer, c'est la reprise des cours très bientôt, à partir du 25. Donc les élèves Vont mardi les élèves vont reprendre euh, le chemin de l'école. Donc ce qui veut dire, on peut sauver ce qui peut être sauvé pour cette année parce que nous sommes déjà en avril fin euh, avril, fin avril le 25 et les examens pour le baccalauréat vont certainement débuter fin juin. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire un sacrifice pour sauver l'année pour tous ceux qui sont en classe d'examen. il y a un autre aspect, moi je pense que euh, les préalables que le gouvernement a décidé de respecter avant d'entamer toute autre négociation parce que ces préalables, euh, ces quatre préalables que le gouvernement a respecté. Mm. la pas du ministre de euh, la réouverture des campus, la, libération des cadres de l'USN arrêtés et la création de la commission. Ça, c'est les quatre préalables pour encore discuter d'autres sujets, d'autres points, surtout par rapport à l'aide sociale que le gouvernement voulait mettre des critères au Conseil que l'aide sociale depuis l'époque de Tanja où ça a été institué, c'est pour appuyer ces élèves et ces étudiants qui n'ont pas accès à la bourse. Le gouvernement a décidé pour une fois d'écouter le peuple. Ça, c'est une bonne chose. Parce que ce gouvernement a fait de sa gouvernance, euh, a fait du déni une des qualités de sa gouvernance. Qu'est-ce qu'il l'a guidé à... Euh, non, aujourd'hui, il n'a pas le... le gouvernement n'avait pas le choix. Parce que ça c'était l'indignation générale sur l'ensemble du territoire, au-delà même de la diaspora, les gens se sont indignés par rapport à ce qui s'est passé au, 10 avril dernier. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, moi, je ne m'attendais pas à ce que, parce que dans les différentes déclarations, au lendemain de ces événements, euh, nous ont donné une autre lecture de, de la chose, parce que on ne s'attendait pas à un gouvernement qui nie les faits, parce qu'il donne une autre lecture qui revient encore. Moi, je pense qu'il faut saluer cette première fois depuis l'avènement de ce régime de la septième République qui a décidé d'écouter le peuple. Et je pense que s'ils vont continuer à écouter le peuple, les cris du peuple, ils peuvent faire quelque chose. D'accord. Euh, alors, il faut dire que la semaine a été vraiment mouvementée. Il y a eu d'abord le remaniement technique où le ministre de l'Enseignement supérieur, euh, M. Ben Omar, a cédé son poste euh, de ministre de l'Enseignement, bien sûr, au profit de Yahouza Sadissou. Ce dernier s'est dit ouvert à, euh, en tout cas, il a ouvert ses portes pour les étudiants. Il est dans un esprit de dialogue. Peut-être un commentaire sur le départ du ministre ben Omar Je pense d'abord que. Eh, d'abord, c'est un vrai je départ ou bien c'est un départ de, de pour, l'avoir interrompu hmm. eh, dans la logique de son analyse, mais je pense qu'il n'avait pas le choix. il est obligé d'être ouvert au dialogue. Je pense quelque part que le président. Ben le ministre Ben d'abord est parti. Oui, le, président a désavoué. un vrai départ le, président a désavoué d'abord et, son, et certains membres de son gouvernement qui étaient venus et la MRL, la majorité qui l'a soutenu parce que lorsqu'il avait voulu prendre le, taureau par le cône, il a trouvé une solution. Je ne pense pas qu'une solution serait trouvée si le président ne s'était pas impliqué personnellement dans cette affaire. On serait encore peut-être à la traîne. Ben Omar est parti. Je pense que c'est lui encore qui était à la base de, certains points qui doivent guider l'aide sociale, alors que l'aide sociale, est dans son essence même, c'est une aide aux enfants des pauvres qui n'ont pas la bourse pour, euh, euh, pour bien vivre ou tenter de survivre à l'université de Niamey parce que ce n'est pas suffisant aussi. Je pense quelque part que en le mettant de côté, c'est une victoire pour eh, l'USN, mais ce n'est pas une victoire pour le peuple parce que normalement Ben aurait devrait démissionner, tout comme d'autres personnalités qui ont été eh, membres dans, dans, dans, cette euh, affaire, mais quelque part, et eh, euh, moi personnellement, ce n'est pas au gouvernement que je tourne mon chapeau, c'est au président de la République, même si lui aussi, c'est pour ça que je disais une première, lui aussi, et comme l'avait dit Issa, il avait fait du déni, il n'écoutait pas le peuple, cette fois-ci, il a écouté le peuple, parce qu'il y avait eu mort d'un jeune garçon de la fleur de la fleur de l'âge, parce qu'il fallait sauver encore ce qui devrait l'être, puisque l'année là, et moi je ne pense pas encore que normalement elle doit être euh, validée avec euh, toutes les perturbations qu'il y a eu. On ne sait pas encore s'il y aura d'autres perturbations avec les enseignants qui sont là, qui n'ont pas trouvé satisfaction. On ne sait pas encore si les étudiants, la commission. Il y a, beaucoup d'interrogations. Il, y a beaucoup d'interrogations, mais quand même, il faut rendre à César ce qu'il y a pas. Il faut tirer euh, euh, son chapeau au président, mais ce n'est pas pour autant et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Gary, que ce gouvernement fait de l'éducation sa priorité. Je ne pense pas qu'il en a fait la preuve. Il y a eu un changement, le ministre Ben qui quitte au, profit de Yaouza Sadissou qui, est, qui se dit très disponible, en tout cas à recevoir les étudiants à tout moment. Euh, qu'est-ce qui peut changer Est-ce qu'il a, est le choix Est-ce qu'il a le choix aujourd'hui en, prenant les choses en main, en mettant de côté Ben a, pour apporter Yahouza ce qui est un monsieur pondéré pour ceux qui l'ont connu et nous aussi qui l'avons vu de, loin et, et qui l'avons côtoyé un peu. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'éducation se gère au niveau de la présidence, puisque vous vous rappelez lorsque le président avait reçu eh, les membres de l'USN il n'y avait aucun ministre euh, qui, qui, est en charge de. Il n'y avait que le Premier ministre. Normalement, il devrait être là, même si le Premier ministre était là. Mais c'était un désaveu déjà à l'époque et on sentait les prémices peut-être d'un départ de Ben Omar, même s'il n'avait pas démissionné. Mais aujourd'hui, je pense que tout se gère à la présidence et pas dans les ministères. Donc, Houza Sadous n'a pas une grosse marge de manœuvre. Euh, voilà, euh, le ministre Ben qui s'en va, c'est une exigence de l'USN. Yahouza qui vient avec un esprit euh, d'ouverture. Non, mais l'esprit d'ouverture, c'est le mot d'ordre du président de la République. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a, pas de. Y a pas de le président a mis quelqu'un qui est, habitué. Ce n'est pas le même tempérament entre Ben Omar et Yahouza Salisu. Qu'est-ce que ça peut changer parce que, Non, ça peut changer parce que euh, euh, Ben Omar, quand même, c'est c'est d'abord le, le, le, franc parler direct, sans retenue, sans truc. Bon, Yakuza Sadius, c'est quelqu'un plutôt de, comme il a dit, de pondéré, et quelqu'un qui a été d'abord, qui a été un journaliste, donc c'est un homme de, de, de, contact. Certainement que c'est pour ça qu'on l'a, amené là-bas pour pouvoir décanter la situation. Et c'est pour cela que dès le lendemain, je, je, je dis, il a rencontré les étudiants, n'est-ce pas pour discuter avec eux, pour dire que bon, voilà, il faut que euh, les, choses bougent, n'est-ce pas le, gouvernement a déjà commencé à faire des premiers pas. Il faut qu'eux aussi commencent à faire des pas vers le gouvernement pour qu'on puisse trouver un consensus. Parce que c'est ça le truc du dialogue. Le principe du dialogue, c'est que les gens discutent et puis chacun euh, fait des sacrifices. C'est-à-dire que si chacun campe sur sa position, il n'y a rien. Bon, donc chacun bouge. Et puis on avance et puis on trouve une solution. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et ce que nous sommes C'est des solutions définitives. Non, définitives, c'est trop dur. Moi, je suis pas un devin. n'ai pas une boule de cristal qui me dit que bon, oui, il n'y aura pas de problème devant. Non. C'est sûr, un État, ça se gère et que ça se gère avec ses problèmes, n'est-ce pas Les problèmes vont toujours se venir. Il a dit, il a parlé de, des syndicats des enseignants qui peuvent être en mouvement et tout. il y aura toujours des problèmes, mais c'est la manière de les gérer qui va, qui va, qui va être différente. Et je pense que, comme il a dit, l'aide sociale, c'est extrêmement important. Parce que c'est une des pommes de discorde entre le scolaire et le gouvernement. Il y a eu un accord sur ce point. Il y a eu un accord sur ce point. L'aide sociale, même si ça coûte 10 milliards par mois, il faut qu'on puisse la régler parce que c'est l'aide sociale qui permet à des étudiants qui n'ont pas la bourse de pouvoir faire une année à peu près normale. Parce que bon, c'est 120 000 francs par an. Euh, c'est pas ça qui règle tous les problèmes, mais ça, ça quand même, je pense qu'il faut pas toucher à l'aide sociale, n'est-ce pas Même si ça coûte cher, c'est à l'État de s'organiser pour trouver les moyens pour pouvoir euh, mettre les étudiants dans leurs leur, dans euh, droits. Mm-hmm. D'accord. Madougou, Ben Omar qui s'en va finalement, c'est une exigence de l'USN, et Yahouza qui vient avec un esprit de négociation, de dialogue. Je crois bien que. au-delà, le fallait, qui s'implique dans la crise. Tout à fait. Il, fallait trouver un homme de la situation, un homme qui va faire l'unanimité, qui va apaiser les esprits, qui va ouvrir le dialogue. C'était bien de le faire. Mais je pense que lui aussi, il n'a pas beaucoup mm, de, marge de manœuvre, comme l'a dit Garé tout à l'heure, parce qu'il faudrait un peu contextualiser le problème de l'éducation au Niger. Depuis euh, l'annonce et le vote de la loi des finances, les gens ont attiré l'attention de, de, certains élus pour dire mais pourquoi vous avez drastiquement réduit le budget consacré à l'enseignement dans son ensemble. Aujourd'hui, le point de discorde qu'il y a entre les étudiants et Ben par rapport à l'aide sociale. Ben Omar, à essayer de, de, contourner euh, le, problème parce qu'il sait pertinemment qu'il n'y avait pas de fonds. C'est pour cela qu'il a mis ces critères. Les fonds qui vont être alloués pour le paiement de ces ne va pas suffire à l'ensemble des étudiants. Donc, Yahouza lui-même aujourd'hui, il n'a pas intérêt à prendre des promesses, à faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Parce que tout le monde sait que c'est la situation économique qui est très difficile pour le pays. Aujourd'hui, vous savez, avant ces, ces événements, il manquait de la nourriture au niveau du resto. C'est la primature qui a donné 10 tonnes de riz. Et c'est à la veille de, euh, ces événements du 10 avril, ils étaient déjà finis. Il n'y avait rien. Donc, il faudrait que les gens soient conscients. Il faut, moi, je pense que ce gouvernement aujourd'hui, nous comprenons tous qu'il y a des difficultés, mais que ce gouvernement soit franc avec ses partenaires, qu'il puisse leur dire écoutez, nous allons faire tous des sacrifices, voilà la situation, voilà, voilà ce qu'on doit faire, mais en attendant, c'est ce que nous disposons. Mais s'il vous plaît, faites preuve de patience, preuve, de nationalisme pour que nous puissions surmonter tous ces problèmes. Mais si vous continuez à être dans le mensonge, à vouloir vraiment faire plaisir au prince, moi je pense que vous ne rendez pas service au prince. Parce que si vous ne le défendez pas avec des, preuves valables, alors vous êtes appelé à partir. C'est ça le problème aujourd'hui. Quel que soit ce que Yahouza pourrait faire, il faudrait qu'il limite toutes ses actions dans les fonds qu'il dispose pour gérer le problème. Donc il a du pain sur la planche, ah, comme évidemment, évidemment. Alors un autre point de discussion, en tout cas, ou de divergence, c'est la création d'une commission d'enquête euh, exigée par les étudiants. Le gouvernement a également cédé sur ça. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, donc je rapporte, ici la réaction de l'ONG Amnesty International, eh, qui, dans un communiqué de presse euh, rendu public à cet effet, s'associe à la demande des étudiants. Et notre, euh, un de nos reporters a joint eh, par téléphone Samira eh, Daoud, le responsable adjoint de Amnesty International Afrique de l'Ouest. Il explique, il explique l'utilité de cette enquête. Je vous propose euh, de la suivre pour que la lumière soit faite sur le dessous de cette personne. Et donc, évidemment, nous demandons que les responsables de ces actes soient identifiés et tenus de rendre des comptes. À votre avis, est-ce que c'est possible au Niger Si les juges euh, saisis de cette enquête peuvent travailler en toute liberté et travaillent de manière totalement impartiale, euh, il n'y a pas besoin de demander aux Nations Unies de venir mener l'enquête. Les critères de neutralité, d'impartialité soient réunis et ça peut parfaitement être euh, euh, conduit euh, par les autorités judiciaires nigériennes. Et que par exemple pour les violences policières, euh, un des éléments qui ferait que ce serait une enquête impartiale et, indépendante, ce serait que, évidemment, que ce ne soit pas une enquête interne menée par la police elle-même, mais par une autorité judiciaire. Voilà, Samira Daoud, responsable adjointe d'Amnesty International Afrique de l'Ouest sur l'utilité d'une commission d'enquête exigée par les étudiants par rapport à la mort de l'étudiant Bagalé. Euh, voyez, vous étiez l'un des plus sceptiques par rapport au fonctionnement, au pouvoir de cette commission. Vous maintenez toujours votre version. Je pense que je suis sceptique. Vous avez écouté Samira Oui, je pense que je suis sceptique parce qu'il y a eu des, précédents dans l'histoire. 9 février 90 jusqu'à aujourd'hui, 27 ans, c'est cela les étudiants réclament encore justice. C'est toujours leur revendication d'ailleurs, ils n'ont jamais progressé dans, dans les revendications. Mars 1994 aussi, il y a un étudiant qui a été tué. toujours pas de, pas de, on, ne sait pas qui. Il y a Lamine Mekanti qui a été tué, je crois, à Zender aussi, dans ce genre de manifestation. Il y a un autre étudiant aussi, qui un élève à Gaïa qui a été tué. il y a, il y a, qui a été tué. Et, écoutez, c'est vrai, c'est normal de demander une commission d'enquête, mais eux-mêmes savent pertinemment qu'il y aura euh, <laughs> jamais de. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu un accord. <laughs> Le gouvernement a, décidé de, la création de cette commission d'enquête. Il y aura des représentants de l'USN, des représentants plaît, S'il te plaît, bien indiqués, oui. Je dis que c'est bien. C'est bien dans la forme de mettre en place une commission d'enquête. Il faut rassurer aussi les partenaires. Le président de la République a été eh, un ancien étudiant. Il a été lui aussi, un moment, eh, interpellé, arrêté dans les luttes. Je J'ai rien qu'hier euh, un passage d'un ouvrage au temps de Jory, lorsque un de leurs amis a été et tiré, je crois, par balle ou quelque chose comme ça, et que c'est eux qui l'avaient soigné avec les moines de bord. Ça a toujours été eh, ainsi dans, dans l'histoire euh, sociopolitique du Niger. Aujourd'hui, qu'on ait mis en place la commission d'enquête, c'est bien, je suis entièrement d'accord, il faut rassurer les étudiants, mais eux-mêmes savent pertinemment qu'il n'y aura pas quelque chose de concret qui va sortir. La preuve, le février est là pour nous donner... Euh, donner. C'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes <laughs> engagements. il y avait Imordom à l'époque, il y avait trois, il y avait trois personnes qui étaient, trois étudiants qui étaient tués euh, grâce à la lutte desquelles aujourd'hui on aspire, euh, on a euh, la démocratie. Je, veux bien qu'il y ait les coupables, qu'on les trouve. La, la, preuve, on a arrêté aussi des, policiers. Hmm. J'espère que l'enquête aussi sera, sera menée. Oui, je suis très content. J'espère que l'enquête aussi sera menée eh, à bon terme pour qu'on situe les responsabilités. Mais je ne suis pas optimiste quant à l'issue d'une commission d'enquête qui va dire qui a ordonné, dans tous les cas, ce n'est pas quelqu'un qui a dit de tirer sur l'autre. Maintenant, qui l'a fait, on ne sait pas, peut-être qu'on ne le saura jamais. Garé, lui, n'est pas sceptique, il y a une commission d'enquête, vous sûr que ça va donner quelque chose oui, décidément, euh, Rufai parle de tirer, euh, <laughs> une fois de plus, <laughs> j'ai dit, c'est pas, il n'est pas mort par balle. Il y a eu mort d'homme, voilà, il n'est pas mort plus d'identification. Voilà, il y a, <laughs> donc, euh, vraiment, il faut, apparemment, il tient à, ça. Bon, ce que j'ai, voilà, ce que dit, est très simple. je pense qu'ils ils ont raison de relever que par le passé, il y a eu des étudiants qui sont morts, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes et qui n'ont pas donné de résultats. Mais la particularité de cette fois-ci, c'est que ce n'est pas une enquête menée par la police. Vous avez dit au début, de, à l'entente de l'émission, que la commission d'enquête est composée de cinq étudiants, de la CNDH, de etc., etc., etc. Donc c'est différent des enquêtes qui ont été menées par le passé. Parce que les enquêtes qui ont été menées par le passé, c'était les instructions judiciaires. L'instruction judiciaire est menée par la PJ. Et eh bien cette fois-ci, c'est une commission d'enquête qui comprend les étudiants. C'est un gage. C'est un gage de crédibilité parce que les étudiants font partie. Toutes les investigations vont être menées par les étudiants. Ils ont carte blanche. C'est une commission qui a été mise en place. Donc, eh, eh, la commission dira quelque chose. La commission dira quelque chose, c'est sûr, n'est-ce pas Maintenant, euh, on peut être sceptique. Je pense que c'est légitime parce que, avec ce qui s'est passé par le passé, mais je le, répète, cette fois-ci, c'est une procédure complètement différente. C'est une enquête qui ne sera pas menée par la police. Si c'était une enquête qui, sera menée par la police, moi, je peux comprendre que les gens disent que, ah non, non, il ne faut rien attendre de ça parce qu'on a vu le 9 février, on a vu, etc., etc., Gaïa, on a vu Zender, etc. Il n'y a rien eu. Mais c'est pour cela que les étudiants ont exigé que il y a une commission indépendante. Cette commission-là indépendante, et c'est ce que Amnesty International a demandé. Donc, pour le moment, euh, euh, euh, je pense qu'on doit d'abord attendre de voir ce qui va se passer. Attendre, attendre, voilà, voir. ce qui va se passer. avant vraiment de... Pour vous, est-ce que la commission pourra donner mieux que ce qu'on connaît ben, Écoutez, je pense qu'il y a le bénéfice de doute d'abord. Parce que moi, je pense que quand on dit commission, commission indépendante, il faut être très vigilant. Attendons d'avoir de voir comment cette commission va fonctionner. Parce que est la, il faut savoir d'abord la base juridique, les marges de manœuvre, jusqu'où cette commission peut mener, euh, ses enquêtes. C'est ça. Parce qu'on a, euh, il ne faut pas qu'on se retrouve dans le même carton qu'un de cette commission d'enquête parlementaire qui n'a aucune base juridique. et c'est ça le problème. C'est bien de mettre cette commission que je crois qu'il y a 13 membres, 5 membres du côté du gouvernement, 5 membres du côté des scolaires, 2 membres de, la CNDH et un membre du Conseil national de dialogue social. C'est bien de le faire, mais il faut que les attributions aujourd'hui, on connaît la composition, mais les attributions aujourd'hui et le caractère d'être indépendant c'est ça qu'il faut que ça soit. L'USN a cinq représentants, c'est important. Hein. C'est important, oui. On peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux que. <laughs> Oui, non. l'USN peut avoir même sur les 13 là, 7. Mais aujourd'hui, dans la structure, si aujourd'hui, sur euh, le fond, la création, par exemple, les attributs de cette commission, si c'est particulièrement défini, à quoi ça sert de l'installer Aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, pas nous seulement tous les Nigériens, qui est à la base de, la mort de, C'est vraiment c'est ça les gens savoir pour que ça ne se répète plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé le 10 novembre, c'est pourquoi j'ai parlé d'indignation. Ça n'est trop, trop, c'est trop pour le peuple nigérien. Ces enfants qui sont en train de partir à la fleur de l'âge, comme l'a dit Rufai, et c'était des élites, c'était des gens qui ont été remarqués au cours de leur parcours scolaire, bien connus pour leur engagement, et pour le, euh, le caractère que c'est des enfants qui seront des élites dans quelques années. Merci beaucoup pour ce commentaire sur la situation scolaire. Après l'éducation, nous allons à l'Assemblée nationale où il y a exactement un mois, la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate a été mise en place. La commission a déposé son rapport avant-hier sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, mais les députés de l'opposition, membres de cette commission, disent n'avoir pas été associés à cette démarche. Je vous propose de suivre Souman Sanda, le vice-président de la commission, au micro de notre reporter Habib Garba il était question pour nous de donner du temps aux deux rapporteurs pour euh, agencer, disons, les différentes réponses que nous avons recueillies lors euh, des auditions, pour nous faire une présentation afin que nous puissions décider de la suite à donner. C'était ça la conclusion de notre dernière réunion. Mais nous avons compris qu'il y a une forte pression politique sur les députés de la majorité membres de cette commission d'enquête. Et ce n'est pas par ces petites combines au niveau de l'Assemblée nationale qu'on peut nous détourner de cette mission républicaine. Nous allons, Inch'Allah, entrer en possession de ce rapport et vous appeler pour que vous ayez les détails en ce qui concerne les différentes auditions que nous avons eues au niveau de cette commission d'enquête parlementaire, vous verrez de vous-même qu'il y a nécessité effectivement qu'une information judiciaire soit ouverte pour déterminer les responsabilités des uns et des autres le vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du Uranium Gate, le député de l'opposition Soumana Sanda. Il fait partie de ceux d'autres de l'opposition qui disent n'avoir pas été associés, en tout cas, au dépôt du rapport de, la commission d'enquête. Oui, et Hamadou. Ah, il parle de forte pression, il parle de, des députés de la majorité qui, en tout cas, qui semble être sous pression. Ah, et, finalement, euh, le rapport a été déposé avec sans situation avant de répondre, j'aurais bien voulu qu'on parle de, du président de la République qui a reçu les parents de, de Bagala, euh, une bonne chose en soi socialement, mais dans le cadre, j'aurais voulu que le président marque aussi un coup en se déplaçant personnellement pour aller et, présenter le condolence, ça aurait été très, beau, très bien vu de la part de nous autres qui sommes euh, musulmans. Ce serait important. Sinon, mm. comme je le disais tout à l'heure, commission, la commission dont on parle, vous dites de le, bénéfice du doute. Ok, je me rappelle ici. C'est une autre commission. Ici même dans, ce plateau, sur ce plateau, du moins, je disais que c'est bien une commission d'enquête parlementaire, mais je sais qu'elle n'accouchera de rien voilà, aujourd'hui. Vous pensez avoir raison oh. <laughs> C'est voilà, le député de l'opposition qui le dit. Oui, c'est le député de l'opposition qui, le disent maintenant aux députés de la majorité de, de contredire, mais je savais qu'une commission d'enquête euh, parlementaire, de la même façon qu'une commission a été mise avec les étudiants, ici il y a des les gens de l'opposition qui ont demandé cette commission d'enquête, là-bas il y a des étudiants qui ont demandé la commission d'enquête. Au Niger, ça a toujours été ainsi. Quoi que vous Pour quelle fin c'est ça, peut-être que Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, qui pousse à dire non, arrêtez, faisons en sorte que euh, euh, le commun de mortels ne sache pas Dans tous les cas, au Niger, il y a toujours eu des arrangements politiques. on le sait, c'est un secret de polichinelle. Même s'il ne sort pas pour nous dire qu'il y a eu euh, des arrangements horribles. Et pour, ne pas, extrapoler pourquoi le silence, par exemple, du chef de, file de l'opposition qui n'est plus là au Niger. Moi, à un moment, j'avais dit qu'il y a eu deal entre eux. Les gens ont dit non. Et je continue à croire qu'il y, a, toujours eu des deals politiques au Niger. Et partout dans le monde, il y a des deals politiques pour sauver le meuble, pour sauver les apparences. Aujourd'hui, que cette, cette, commission d'enquête parlementaire n'aboutisse à rien, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que je l'avais dit, je l'avais, et tous les Nigériens savaient qu'elle n'allait aboutir à rien parce qu'il y a sûrement beaucoup d'implications au plus, au plus haut sommet de l'État ici au Niger et, peut-être en France. Donc, il faut divertir les gens, ouvrir la commission d'enquête parlementaire qui va faire semblant de, travailler. Donc, en pour vous, de c'est divertir les gens, vous l'avez bien souligné. la commission d'enquête un peu dénoncée par une partie oui, une fois de, ses membres. Oui, une fois de plus, c'est ça l'importance d'une commission qui regroupe toutes les parties. C'est que comme pour celui de l'USN là, quand il y a des problèmes, l'USN va sortir pour dénoncer. C'est ça l'importance. Il ne faut pas que les gens euh, euh, euh, fassent comme si. C'est très. mais qu'est-ce que ça cache Oui, mais, écoutez, il l'a bien dit. Contrairement à ce qu'il dit, il dit que l'enquête n'a rien produit. Non. Soumana Sanda a dit, même lui-même ici, il dit que non, ils vont parler à la presse, parce qu'il y a des auditions qui ont, été faites. Normalement, les deux rapporteurs, on devait leur donner le temps de rédiger et puis de soumettre aux au, de la commission. Ça, je suis d'accord avec lui. Mm-hmm. C'est-à-dire que si les membres de, les rapporteurs ont fait le rapport sans, sans, réunir tous les membres de la commission pour le lire, pour que les gens puissent approuver et, que, partir déposer ça à l'Assemblée nationale, c'est une faute. C'est clair. Normalement, vous faites le rapport, n'est-ce pas Vous êtes les rapporteurs, vous faites le rapport et puis vous vous réunissez. Bon, voilà le rapport qu'on a fait. Ça veut dire que c'est une affaire vraiment qui dérange Non, c'est, là, là c'est pas, pas bien. Je le dis, hein, c'est clair, c'est pas bien. Parce que avant de déposer le rapport au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous devez réunir les membres de la commission, leur dire bon, voilà ce que vous, les rapporteurs, voilà ce que vous avez fait comme rapport. Mais on le lit. Pour vous, c'est parce qu'il y a des implications au plus haut niveau que euh, on est arrivé à cette situation. J'attends de... voir ce que Parce puisqu'ils disent qu'ils vont parler à la presse, parce que par le passé, vous savez, il y a eu des commissions d'enquête sur l'ordre de Samira, etc., etc. Et les députés de l'opposition qui étaient membres de la commission, on fait le rapport, on dépose, il n'y a pas de suite et l'opposition ne réagit pas cette fois-ci, en tout cas, on peut s'attendre à une non, réaction. Mais parce que les gens, ont, gens interpellé. Parce que moi, je me rappelle sur un débat, j'ai dit non. Attention, pas, il ne s'agit pas de faire le rapport et de déposer. S'il y a un problème, c'est à l'opposition de sortir pour dire qu'il y a un problème. Et cette fois-ci, l'opposition est sortie. Non, c'est parce qu'ils savent que les gens les attendent au tournant. Il ne s'agit pas de faire comme, la, comme le pas passé, comme l'a Une commission d'enquête. Le rapport est déposé au bureau de la main partie. Oui, il ne s'agit pas, de faire comme par le passé, où des rapports sont déposés n'est-ce pas Il n'y a pas de suite et l'opposition se tait, elle ne dit rien. Voilà. Mais de toute façon, Gary, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Hein. Ah, vous ne savez pas Non, non, non, non. On a fait une commission enquête parlementaire parce que l'Assemblée, c'est un organe politique. Mais au moins, l'opposition a décidé de dire les choses. En fait, c'est pour, pour parler de, suite. Parce que moi, quand il y avait l'éclatement de cette affaire, j'ai lu le courrier et j'ai vu votre article. Ces articles sont très édifiants qui n'a même pas besoin à ce qu'on en parle. La justice doit s'autosaisir par rapport à cette affaire. La justice n'a pas fait. Il fallait que l'opposition fasse du bruit pour dire qu'il faut créer une commission euh, d'enquête parlementaire. Mais d'enquête parlementaire, d'où c'est le Parlement, c'est un organe politique qui n'a pas aussi de marge d'arrivée. Ils ne peuvent faire que leur enquête ici au Niger. Ils ne peuvent pas auditionner la banque là où il y a eu le virement. Oui, ou pour auditionner. Donc, mais ici, la limite, c'est que ce euh, Soumane n'a pas de forte pression sur de, forte pression parce que tout le monde sait que l'affaire. Apparemment, les choses ont avancé, mais euh, C'est comme si on ne voulait pas tout dire. Les différents articles, est-ce que cette affaire, les différents articles qui ont été produits sur cette affaire, moi, je prends. Je me suis, me suis arrêté sur. Je sais pas s'il y a d'autres. Je me suis arrêté sur les articles du courrier de l'événement. Non, ici nous sommes à l'Assemblée nationale. Oui, non, non. De Non, je sais que député de la, de ce nous n'avons pas été associés. Euh, qu'est-ce que ça peut cacher Qu'est-ce que ça peut À la dernière phase, c'est la dernière phase, la, production du rapport, pour le dépôt sur le bureau que ça, de peut cacher C'est ce qui veut dire que cette affaire, elle est tellement complexe qu'elle implique beaucoup de choses et beaucoup de personnalités à de nouveaux vraiment élevé qui dépasse peut-être même les frontières nationales. Bah, merci <laughs> pour, cette analyse. Infraction non constituée, c'est le délibéré euh, prononcé ce matin par la justice, hier j'allais dire, dans l'affaire de l'acteur de la société civile Michael Zodi. Euh, Michael Zodi avait été accusé de concession et mis sous mandat de dépôt le 5 avril dernier. Euh, Rapidement. Il euh, faut arrêter de. Il faut arrêter de. Michael Zodi, l'affaire Michael Zodi, acteur de la suite euh, civile. Oui, il faut arrêter de se ridiculiser pour rien. Ce n'est pas là. Il faut tirer d'abord un coup de chapeau à la justice. Le juge a eu le droit. Michael Zodi a été libéré, mais il faut arrêter de, se ridiculiser pour rien. Ce n'est pas la première fois qu'on qu arrête des gens, qu'on interpelle des gens, parce que c'est qu'on interpelle des gens qu'on les amène en prison pendant quelques jours et on, les amène devant le juge. Les gens vont me dire que non, c'est le processus normal de la démocratie, il faut laisser la justice faire son cours. Mais à chaque fois qu'on fait les choses, et là encore, le juge, le juge s'était auto-saisi. J'ai suis vu Mackenzie, qui disait que le juge s'était auto-saisi sur un, papier qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le juge s'était auto-saisi. vrai que le procureur aussi s'auto-saisit sur ce qu'il veut, pas sur tout ce dont il doit s'auto-saisir. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se ridiculiser pour rien, pour des choses dont vous savez qu'ils ne vont pas porter, qu'ils ne vont qu'ils ne vont nous amener nulle part. Arrêtez de divertir les gens. Maintenant qu'on est, qu'on est libéré, Mackenzie. C'est bien pour lui, ça lui a fait une publicité, mais eux, de l'autre côté, on comprend que c'est juste parce que quelqu'un gêne, il faut l'arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Est-ce que c'est parce que Michael gêne que non, euh, il, est il, a, été mis sur mandat de dépôt ah, C'est un acteur de la société civile, Mais c'était pas, c'était pas ce rôle. Non, attendez, il faut, il faut, quand même remettre les choses à l'heure. Michael Zodi, c'était un acteur de la société civile assez modeste. C'est pas une des figures influentes de la société civile. Hein. Moi, je le connais. C'est un ami, je le dis. non, c'est pas, c'est pas. Ceux qui sont gênants, c'est qui Ceux qui peuvent être gênants c'est peut-être le radical, il y a l'Idrissa, les... mais Michael Zodi, c'est vraiment. Il faut, il faut, être modeste. mais ce que j'ai dit, moi je suis content, moi je suis content qu'il soit libéré. Parce que je vous dis, c'est un ami, on a l'habitude de faire des débats ensemble. Euh, euh, le problème de la justice, vous savez, c'est que euh, la justice a ses procédures qui sont extrêmement comment on appelle ça là, extrêmement complexes. On dit que l'autorité de poursuite ou la prérogative de poursuite appartient au procureur. Ça veut dire que lui qui décide en son, euh, quand il veut. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est pas une infraction. C'est la loi qui dit. Il décide quand il veut. Donc, à partir du moment où c'est là, le procureur a décidé que bon, ça, je suis, et puis ça, je poursuis Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la loi qui le dit. Euh, maintenant, ce que j'ai dit. Maintenant, ce que je pense que c'est très bien cette affaire, ce qui s'est passé. Parce que ça prouve que la justice nigérienne est indépendante. Pourquoi je le dis Parce que les mêmes gens qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, le jour où la justice va rendre une décision, qui est à l'encontre de leur camp ou de quelqu'un, c'est les mêmes gens qui vont vilipender la justice. Et c'est pourquoi je dis il faut qu'on un enseignement de chaque chose. allez-y bah, rapidement. Je suis d'accord avec Gary, mais, le, procureur aussi s'auto-saisit sur ce qu'il veut. C'est ça le problème au niveau on a, on a une habitude que j'arrive pas à comprendre au Niger. Il y avait Michael Zodi, il y avait Babar on aurait dû éviter et quand la malheureusement. on incite la justice. Oh, la justice est, pourrie. mais quand la justice libère, on applaudit. Moi, je ne comprends pas le Nigeria. Oui. Quand ça <laughs> t'arrange, tu applaudis quoi. Eh, oui, dans le cas de Michael Zodi. L'opportunité de poursuite. Mm-hmm. Euh, euh, Garel l'a dit, mais il faut dire aussi, c'est quand il le veut, aussi, parce que c'est un fonctionnaire de l'État, aussi quand son patron le veut, le ministre. Ah, mais. Ah, ah, ah, non, non. Non, c'est un fonctionnaire. Il est nommé, il est nommé. C'est la loi qui le dit aussi. Il est nommé. ça m'engage, j'ai dit. Oui, il est nommé. Moi, c'est moi qui parle. Quand que le procureur est manipulé par. il est nommé. Moi, je dis est nommé. On n'a pas parlé de manipulation. On a dit c'est un fonctionnaire de l'État, il a un patron qui est le ministre de la Justice. Il est nommé. Mais attendez, le ministre, ne peut pas lui donner des ordres. il est obligé chaque matin de faire des rapports au ministre. Donc ça, c'est clair. Voilà, merci pour ces réactions. Euh, le forum de la presse, c'était avec nos confrères de la presse nationale. malheureusement, nous n'avons euh, pas oui. qui est toujours aussi, vraiment comme le euh, et qui a eu le soutien des journalistes participants à Ouagadougou sur. Voilà, qui s'inquiète quand même de la dégradation de la liberté de la presse. C'est important de le souligner sont les épreuves de merci, la vie, ça va passer. Merci beaucoup. Garé n'a rien dit, malheureusement. Non, je, n'ai rien dit, c'est un petit frère. C'est-à-dire que moi, je dis, j'espère qu'il va, va sortir de cette situation-là parce qu'il n'a pas été arrêté dans le cadre de l'exercice de sa, profession. Mm. Certains font le lien, mais ils confrère. ont peut raison. Mais c'est un confrère. C'est un confrère, d'accord. Même s'il n'est pas nigérien, c'est un journaliste. Gary Amadou, journaliste euh, à l'hebdomadaire, au l'événement, Rufai Dandoua du groupe de presse Liptako et Issa Madougou du groupe euh, de presse Ténéré. Merci d'être venu pour ces commentaires sur l'actualité de la semaine. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.